la ñuy sàkku ci nguur gi jàppale ñu dimbale ñu jox ñu sunu suuf la ñuy sàkku delloo ñu sunu lépp moom la ñuy sàkku fi mu nekk di ci suuf bu loolu amul bakkan dina tëdd ku fa bëgg a teg birig bakkan dina tëdd bakkan mooy tëdd waaw sunuy kër wala sunu bakkan loolu lañ fa teg fi mu nekk sunuy kër wala sunuy bakkan sonn nañu bu ñu añee duñu reer bu ñu xëyee duñu ndekki ah ñu daw ci ba sonn torop sunuy doom yëpp doon jàng école dàq nañ leen ñi dañoo àllaa tere te jënd fa amatuñu lu ñu jëndee ñii ay mag lañu xoolal comme classe gi ñi ay mag lañu mënatuñu dara ah léegi nan la ñuy def nu ñuy def fi nekk maman bi ma naa jënd kër man këriñ laay jaay këriñ pour ma am lu ma lekk Le dossier reste effectivement toujours au niveau de la Cour de cassation, mais nous exigeons que les victimes de Gadaï, au ça fait maintenant 8 ans, il y a des personnes qui sont décédées, il y a d'autres personnes qui actuellement sont en location et d'autres personnes actuellement qui souffrent. Et nous voulons que ces personnes soient au moins indemnisées et que ce problème soit réglé définitivement l'État doit prendre ses responsabilités. Macky Sall nena day delluwaat ci day delluwaat ci décision day def wax waxeet par rapport aux 20 hectares Lolu moo waroon tay ñun bañuñu 20 hectares yoy tay ñing ko def cimetière ñing ko def Bakhya 2 du Tivaouane peul ñun kenn ku ci nek ci ñun suñu jabor suñu ay doom suñu mbokk ñu nañ fa joxe suñu ay bakkan bañuñu ci dara nak te xoolal fu mu nek ni yor suñu plan d'action ba xamni dinañ ko tëral té bu ko tëralee dinañ ñun dégg au niveau national dinañ dégg au niveau international parce que fu ñu nek ni on est là Tendre la main à tous les Sénégalais pour nous lutte et d'autres personnes sont là pour soutenir aujourd'hui on est prêt pour aujourd'hui on va mourir pour ça les organisations comme Frappe, comme Forum social sont en train de les soutenir afin que justice soit faite et réparation soit faite. On ne peut pas avoir jeté 253 maisons écrasées sans que la justice n'intervienne. Et dans ce dossier particulier de Gadaï, la justice a été saisie et a ordonné le dédommagement. La personne en question a fait appel. Le tribunal de premier instance d'appel de Dakar l'a encore condamné à demander des dommagements. Ce monsieur-là continue à se, à à Dakar. Et ses familles continuent à être victimes. Il faut donc que la justice soit faite. J'ai trouvé une, maison, ils sont venus faire tomber ça. Je ne sais pas comment je vais faire. moo dal ñeneen ak ñeneen dal waa Jurbel dal waa Daaru Salaam dal ñi nga xam ne